Ousmane Barodjon, directeur général de la compagnie du Théâtre National Daniel Solano. Euh, nous avons choisi aujourd'hui de célébrer la journée mondiale du livre du droit d'auteur ici à Solano à travers un spectacle lecture que nous avons bien voulu euh, livrer à nos élèves, à nos enfants. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous avons accueilli les élèves de Notre-Dame et les élèves donc de la cathédrale. Donc, nous avons présenté un spectacle en moyenne d'une heure de temps de lecture présenté par les comédiens de la troupe nationale dramatique du théâtre national dagnès Sorano. Nous avons choisi euh, euh, ce spectacle pour encourager et motiver les élèves à davantage lire. Parce que nous savons le rôle important que la lecture peut en tout cas jouer pour davantage euh, participer à la formation et à l'éducation de, nos élèves. C'est pourquoi nous avons choisi des textes de Cheikh Ami Khan, des textes de Léopold Sédar Senghor et des textes de Amadou Lamine pour en tout cas euh, marquer cette journée mondiale du livre et de la lecture ici à, au Théâtre national Daniel Sorano. Alors cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons lancé depuis l'année dernière sera nous à l'école. C'est pour faire revenir le théâtre dans les écoles et encourager et motiver les élèves à lire, mais aussi à la représentation théâtrale. Ce projet va se poursuivre parce que nous comptons de la semaine prochaine accueillir d'autres élèves pour leur présenter en tout cas euh, un spectacle, lecture, comme ce que nous avons vécu aujourd'hui. Mais nous allons euh, aller plus loin parce que nous comptons également faire le tour des écoles pour présenter des pièces de théâtre qui sont au programme. Nous sommes en train de travailler sur ces pièces-là et nous espérons que dans ce cadre-là, les élèves vont davantage se réconcilier, pour ne pas dire se reconnecter avec le théâtre, mais avec la lecture. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'avec la montée en puissance des technologies, les gens lisent peu et cela se détend sur le niveau, sur la culture générale. Tout cela fait que le Terre Sorano a choisi euh, de se lancer dans ce programme ambitieux et nous comptons en tout cas euh, sillonner le pays à travers les établissements, à travers les lycées et collèges, partager avec les élèves donc euh, ce, programme et ce projet. De la compagnie du Théâtre national de Sorano. Euh, bésu tey bi dafa la euh, journée mondiale du livre et du droit d'auteur Nous avons fait ci àdduna célèbre, dañ koy euh, célébrer le nga théâtre national de Sorano nga xam par essence le temple de la culture sénégalaise Nous choisir pour organiser un spectacle lecture objectif est de faire que les élèves yi nga fait et ñoo nous mun présenter donc nous avons choisir ñaari école muy cathédrale muy Notre-Dame pour présenter l'enco à travers ce euh, comédiens yi nga xam ne ñoo troupe dramatique Nous présentons les ay textes de Cheikh Hamidou Kane Léopold Sédar Senghor ak Amadou Lamine Sall alors ce ñu ci jublu mooy ba déjà euh, élèves yi nga xam nous euh, ñoom lañ ko avec ñu réconcilier ak lecture parce que nous savons ci jamono ñu tollu lecture dafa xaw a tumuranke li indi moy euh, technologie nga xamné smartphone yek, ñitt euh, ñi ñu jot jël ay livre di lire alors que lecture lu am am solo la parce que ben, dina jàngale mais ben aussi dina fexé ba culture générale élèves yeeg xalé yi gëna am am doolé motax tay ñu tann euh, forme de représentation bobu moom spectacle lecture bi nga xamné ambition bi moy fexé le projet nous nga xamné mom lañu la ñu Sorano à l'école ñu mun ko jëmmal en tout cas am nañu ambition euh, semaine bu nek ñu inviter fi ay élèves présenter ben spectacle muy doon spectacle de lecture muy doon spectacle de théâtre parce que Sorano à l'école ambition bi mu am moy fexé dem ci école yu Sénégal présenter ay pièces yo xamné un dafa nek au programme parce qu'effectivement, la lecture bi lu importante. baax la mais si vous ba lire ba il am solo pour que li nga lire la ko représenter sous forme de pièce de théâtre pour que compréhension bi gëna yomb mais mu gëna mu gëna am solo ci xalé yi nga xamante ñom lañ koy présenter donc tey euh, noonu la choisir de représenter euh, la célébration de de cette journée mondiale du du livre de gëna a ñaax xale yi ci lecture di gën a ñaax xale yi euh, ci ci ci gëstu parce que je pense que l'ouamam solo la sur culture mais également sur scène, sur cursus Nous allons di gërëm bu Tout ça pour dire que pour une... Bonjour, je me nomme Ousmane Traoré. Je suis en classe de 5e D au collège de la cathédrale. C'était pour, pour faire part, de mes impressions de ce spectacle. Pour une première, c'était vraiment extraordinaire. J'aimerais remercier tous les comédiens. Vraiment, merci. Merci, beaucoup. Touré, euh, je suis élève au Collège de la Cathédrale. Je suis en classe de 5e D. Euh, je voudrais donner mon avis sur euh, cette pièce. C'était trop bien. On a bien entendu, on a ressenti les émotions, tout ce qui allait avec. Vraiment, c'était magnifique. Merci à... Hein. Je... nous parce que dafa am la journée internationale du livre donc euh, journée internationale du livre La euh, journée internationale du livre dafa am importance sama wolof leerul donc journée internationale du livre dafa une importance parce que dañu remarqué nous jamono ji bu ñu dit dañu dafa am les nouvelles technologies donc moy téléphone bi internet bi donc élèves souvent su internet bi def ay jeux <clears throat> wala ñuy sétane ay vidéos euh, donc euh, euh, c'était l'occasion pour élèves pour nous pour nous sensibiliser sensibiliser par rapport à la lecture pour nous wax lecture baax c'est vrai que internet bi bon, na mun nga ci tirer xam-xam mais lecture bi moom plus gën parce que si euh, école yi la dafa am ay œuvres œuvres au programme même si examen yi à partir des des œuvres au programme nous poser cette question donc euh, loolu moo tax ñu nous invité nous, nous euh, journée internationale du livre donc euh, c'était une occasion pour moi wax élèves sénégalais. Nous ñoom ñëpp euh, ñu Nous avons kentulay kattan ñu bëgg livre ñu bëgg lecture parce qu'à travers ce livre à travers lecture nous nous découvrir ay secret parce que la langue française est compliquée.

gis lecture bi ni sur scène donc dafa melni ma ngi sétane film donc euh, euh, réalité bi si lecture sur scène bi le gëna am importance donc je pense que lolu dina gëna may élèves yi ñu gëna bëgg lecture ñu ñëwaat ñu xamné lecture dafa am importance parce que comme wax ki yoon ki yoon naa ko fii euh, waxoon naa donc euh, <clears throat> euh, si si si école française je la ma laa bu Les œuvre au programme et œuvre au programme yooyu dafa baax donc de la sixième mais terminale et examen soit vous vous êtes classe terminale vous avez classe troisième e donc si vous poser toujours que ce soit dissertation donc souvent si œuvre yooyu la poser question donc je euh, vais euh, <clears throat> sensibiliser jeunesse je sensibiliser élèves nous lecture parce que lecture dafa am solo. bon choix nous parce que ñun invité par hasard choix Bobo, nous choix livre par exemple comme Sous l'orage nous nañu lire un livre euh, euh, buy une c'est une réalité mais tey bu invité donc à ma plus grande surprise donc euh, <coughs> dañu indé, l'aventure ambiguë de de Cheikh Hamidou Kane amoon nag ban motivation avons une bonne motivation pour exploiter livre mais en tout cas c'était très riche n'est-ce pas, en euh, lecture bi Et je pense que est vue parce qu'ils étaient captés euh, par euh, par les gestes. Donc je pense que euh, choix bu choisir non, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou je pense que choix bon pour bien capter attention est parce que sur dégouler lecture bi ça yaram donc euh, sa yaram dee daw donc dafa nekk benn livre boo xam ne dafa am importance xam naa loolu moo tax ñu choisir ko.